septembre 2024, auditeur et auditrices du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. Moi, c'est Fanta Chamsu et ce matin, je suis en compagnie de Rukaitou Abdraman. Bonjour Rukaya, comment tu vas Bonjour Fanta, je vais très bien. Et on n'oublie pas de faire un coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Mustapha Yuba à la technique, Moussa Hassan à l'édition. Alors Fanta, quel est le programme du jour Comme d'habitude, nous allons débuter avec le flash d'information il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire justice, une page sport, la rubrique portrait et le loti du jour. Et dans la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Maradi. Et dans la partie entretien de cette édition, Dr Issa Meiga, psychologue clinicien, nous parlera de la santé mentale des agents des médias. Comme annoncé, fidèles auditeurs, nous allons ouvrir cette édition avec le flash d'information présenté aujourd'hui par euh, Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Ruki, bonjour Fanta. Bonjour Rafika. Alors pour ce matin, le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances a quitté Niamey hier 1er septembre pour la République populaire de Chine où il prend part au sommet Chine-Afrique à Beijing du 4 au 6 septembre 2024. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Après les fortes pluies enregistrées le 30 août dernier à Maradi, un bilan officiel annoncé hier 1er septembre 2024 fait état de 15 personnes décédées, une vingtaine de blessés et 1609 familles sinistrées. Ce bilan a été annoncé après une mission de compassion et d'évaluation conduite par le ministre des Transports et de l'équipement, colonel-major Salus Maman et, le ministre, et la ministre plutôt de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, Mme Aïssa Wandarama, dépêchée par les plus hautes autorités du pays au chevet des familles sinistrées. Outre la prise en charge gratuite des soins au profit des blessés par l'hôpital de référence, 160 tonnes de vivres, à savoir du riz et du mil, auxquels vont s'ajouter 30 tonnes de matériel non alimentaire, sont disponibles afin de renforcer le kit d'urgence. Notons aussi qu'une enveloppe de 50 millions de francs CFA a été dégagée d'urgence pour soulager les familles éprouvées. Dans le cadre du processus de mise en œuvre de la raffinerie de Dosso, le complexe pétrochimique et la centrale électrique se met en marche. Une mission interministérielle conjointe conduite par le ministre du Pétrole s'est rendue hier sur le site d'implantation de la future raffinerie et du complexe pétrochimique et celui de la production d'électricité situé à 40 km de la ville de Dosso. D'une capacité initiale de 30 000 barils par jour, mais extensive à 100 000 barils. Cette raffinerie vise non seulement à satisfaire le besoin national en carburant et produits mais aussi à accroître l'exportation de ces produits vers les pays membres de la Confédération des États du Sahel. Quant au complexe d'électricité, il a pour but de produire l'énergie électrique en vue de réduire notre dépendance en termes d'énergie électrique en renforçant l'existant afin d'assurer l'autonomie principalement dans les régions de Dosso, Niamey et Tilaberi. Et voilà pour le flash de ce matin. Merci Rafika et euh, on vous souhaite une bonne journée. Merci Fanta. Chers auditeurs, dans quelques instants, vous suivrez un entretien sur la santé mentale des agents des médias avec un euh, docteur Zourkaleni Issa Maïga. Il est psychologue et clinicien. Mais avant de l'écouter, euh, je vous propose d'abord une première pause musicale avec Ra, Ra Yarinya de Abd Tambalio. abrirá. Dès le 13 mars 1968 à Zender, Abdraman Garba Mouma alias Abdou Tambalio est un musicien très engagé. Son parcours musical commence à Zender où il a intégré le groupe musical d'Amroche du CCFN des Zender. Abdou... Ah. Tambalio fait partie des artistes qui ont porté au-delà de nos frontières au nom de notre pays. C'est pour faire, faire, faire, faire, c'est à faire. C'est pour faire, faire. laisse, laisse la femme là, Garinya me wayo, elle ne veut pas travailler, elle ne veut pas se marier, c'est pour faire, faire, faire, faire ses affaires. Après cette pause musicale, nous allons à présent entamer la première partie de l'entretien du jour. Docteur Zurkaleni Samega nous explique ici les différentes formes de stress auxquelles les travailleurs des médias peuvent être confrontés et leurs conséquences sur la santé physique et mentale. Il était au micro d'Alamin Ouachar. Donc, euh, effectivement, nous avons jugé utile de faire une séance de sensibilisation sur euh, la santé mentale chez les travailleurs des médias. Parce que les travailleurs des médias, c'est eux qui couvrent les événements, c'est eux qui informent la population, c'est eux qui répondent à l'un des quatre besoins fondamentaux de l'être humain, qui est le besoin à l'information et à l'apprentissage. La presse qui sont au devant de la couverture des guerres, des conflits, des catastrophes naturelles, c'est des facteurs qui développent un état de stress post-traumatique. Parce qu'il y a plusieurs études qui ont euh, fait le lien entre le travail des médias et la santé mentale. Et que plusieurs, n'est-ce pas, études ont montré que ce personnel-là sont enclins de développer des pathologies comme le, le stress post-traumatique qui survient face à l'exposition à une situation traumatisante, euh, brusque ou bien dans le temps. Quels sont les différents stress euh, développés par les journalistes ou bien par les travailleurs des médias Pour parler du stress même, on dit le stress, c'est une réaction psychologique qui survient quand la demande de l'environnement est plus élevée que la capacité psychologique à répondre. Donc c'est ça le stress. Nous avons plusieurs types de stress il y a le stress aigu. Le stress aigu survient suite à une situation ou un événement qui demande à l'être humain d'avoir une certaine concentration ou à faire face à une situation. Le stress aigu disparaît après avoir atteint l'objectif demandé. Vous avez un entretien d'embauche, vous stressez. Après avoir effectuer cet entretien d'embauche, le stress va disparaître. Et c'est ça le stress aigu. Il y a un deuxième type de stress qu'on appelle le stress chronique. Alors, le stress chronique est vraiment délétère pour l'organisme parce que c'est un stress qui perdure et ça demande plusieurs mécanismes psychologiques qui va amener le cerveau justement à être toujours en alerte et quand le cerveau est en alerte, il va avoir plusieurs sécrétions des substances qui va amener le corps à combattre. Et c'est pourquoi on a trois phases. La phase d'alarme où le cerveau va se mettre en alerte et sécréter beaucoup de substances qui va amener l'être humain à se préparer pour faire face à la situation. La deuxième phase, c'est la phase du combat vous êtes devant une situation, il faut combattre. Et la troisième phase, c'est l'épuisement. Et donc, quand tout le temps on est devant un stress, les trois phases-là se mettent toujours. Mais quand c'est tout le temps, le cerveau va enregistrer. Il faut toujours rester en alerte. Or, la personne va s'épuiser et les conséquences sont énormes. Et le troisième stress Le troisième stress, c'est le stress post-traumatique. Et c'est le stress qui survient face à un événement, comme je l'ai dit tantôt, traumatisant. Et là, il y a des conséquences, des flashbacks. La personne qui est victime de stress post-traumatique va toujours revivre l'événement traumatisant. Et comment gérer ça Alors, comment gérer de façon générale le stress On peut gérer le stress par la prévention. Pour prévenir, il faut identifier les stresseurs, les différentes sources de stress. Il faut les identifier. Et il faut trouver tout, tout le temps des solutions à ces stresseurs-là. Si c'est un milieu de travail, il faut créer les conditions pour prévenir. C'est-à-dire on avait dit tout à l'heure la reconnaissance. Quand quelqu'un fait du bien, il faut reconnaître, il faut féliciter. Il faut créer des, des espaces de détente. Il faut faire le sport. Et il, faut, il faut se reposer. Quel serait vraiment l'impact de ces trois niveaux de stress euh, sur la santé humaine Les trois niveaux de ce stress vont avoir deux conséquences. Il va avoir une conséquence sur la santé mentale et une conséquence sur la santé physique. Pour la santé mentale, on va aller dans la dépression, voire des troubles psychiatriques. Sur le plan physique, on va avoir ce qu'on appelle le diabète. Il y a un type de diabète qui est la conséquence du stress. Il y a l'hypertension artérielle, parce que comme je l'ai expliqué, le cœur va pomper, pomper tout le temps. Avec la pression, le corps va tout le temps pomper jusqu'à ce que le corps va devenir gros, et que, etc. Il y a les troubles gastriques. Aujourd'hui, l'ulcère gastrique, c'est clair, plusieurs études ont démontré que c'est une conséquence du stress. Il peut avoir aussi des conséquences sociales l'isolement. La personne stressée va vouloir s'isoler. La personne ne peut plus supporter le public. Il ne va plus participer à des événements psychosociaux, c'est-à-dire les mariages. Vous allez voir des gens qui ne supportent pas. C'était Dr Zurkalani Megam, psychologue clinicien au micro de Alamin Ouachar. Avant de continuer cet entretien, nous allons une fois de plus souffler en musique avec Presse libre des Mâles Mambarka. Baïonnement et musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulmans, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Bayonnement et musulmans, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat, souffrance des journalistes du monde entier. La voix de la presse, c'est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il doit s'en servir quand il a besoin. Il peut s'en servir quand il a besoin. Mais dès qu'il s'en sert, c'est le bâillonnement et le musulman arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. artiste musicien, auteur-compositeur de la musique tradie moderne nigérienne, de la voix et les chansons bercées les Nigériens durant de longues années. Madame Maman Barka avec euh, ses chansons phares et très inspirantes comme Mariam, Niger mon beau pays, Armée et ses magnifique euh, et cette magnifique la Presse. L'artiste Maman a marqué d'une empreinte indélébile la musique nigérienne. Il nous quitta en novembre 2018. Bien son libérez la presse, libérer, libérer la presse, libérer, libérer la presse, libérer, libérer la presse. Laissez les journalistes tranquilles, laissez-les faire leur travail. Laissez les journalistes tranquilles, laissez-les faire leur travail. La voix de la presse est la voix du peuple. La force de la presse, c'est celle du peuple. Il peut s'en servir quand il a besoin. Il doit s'en servir quand il a besoin s'en sert. C'est le baillonnement et le musulman, arrestation et torture, séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris. Baillonnement et musulman, arrestation et torture séquestration et répression, humiliation et assassinat. C'est de tout cela que je n'ai rien compris, c'est de tout cela que je n'ai rien compris. Retour au studio après cette belle sonorité, chers auditeurs, nous allons continuer avec l'entretien du jour. Ici, le psychologue Zurkaleni Samaiga met l'accent sur la différence entre psychologue et psychiatre et aussi leur importance dans la société. Il est toujours au micro de Alamine Ouachar. Donc quand on rentre vraiment dans les pathologies psychologiques ou psychiatriques ou des pathologies physiques, il faut vraiment chercher de l'aide des professionnels. À l'occurrence, pour les pathologies psychologiques ou psychiatriques, il faut voir les psychologues ou les psychiatres. Maintenant, celui qui a des problèmes, des phobies, on parle de phobie sociale, il faut voir les psychologues, les psychologues ont des techniques qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales qui vont amener la personne à se désensibiliser parce qu'il y a une perception du public et il y a une restructuration cognitive. Il faut amener la personne à avoir une nouvelle perception des choses. Et aussi pour les problèmes physiques, là, il faut faire les deux. Il y a le côté psychologique et le côté physique. Les médecins vont gérer leur côté les psychologues, eux aussi, vont gérer leur côté pour faire un traitement étiologique. Euh, la majorité des gens confondent un psychiatre et un psychologue. Pouvez-vous nous faire la différence et effectivement, c'est pourquoi dès qu'aujourd'hui on parle de faire une consultation psychologique, les gens vont dire, tu penses que je suis fou donc, effectivement, il y a une très grande différence entre le psychologue et le psychiatre. Le psychiatre et le psychologue, c'est comme si c'est deux filles d'une même mère. Le psychiatre, c'est un médecin qui fait ses études en médecine. Après sept ans, il fait quatre ans une spécialisation. Le psychologue, lui, il commence de la première année jusqu'en master ou en doctorat en psychologie. La psychologie, c'est une spécialité des sciences humaines. La psychiatrie, c'est une spécialité des sciences médicales. Le psychologue, il n'est pas médecin. S'il a son doctorat, il est docteur. Mais il n'est pas médecin parce qu'il n'a pas fait la médecine. Le psychologue prend en charge les troubles psychologiques. Le psychiatre prend en charge les troubles psychiatriques. La différence, un trouble psychologique, c'est un trouble chez qui la personne qui souffre de ce problème sait que ça ne va pas, mais n'arrive pas à trouver des solutions. La personne qui souffre de troubles psychiatriques, c'est quelqu'un qui n'est pas conscient de son problème. Mais c'est les autres qui disent que lui, il est malade. Comme Communément appelé les fous. D'accord C'est eux qui sont les patients des psychiatres. Ici, à l'université Abdelmoumouni, la psychologie se trouve au niveau de la faculté des lettres et sciences humaines. La psychiatrie, c'est en médecine, comme je l'ai dit. Donc, le psychiatre, il fait un traitement symptomatologique, c'est-à-dire vous ne dormez pas, on te prescrit des somnifères. Vous avez des hallucinations, vous voyez des choses qui n'existent pas. Il te prescrit des anti-hallucinatoires. C'est ça un traitement symptomatologique. Mais le psychologue, il fait un traitement étiologique. Vous ne dormez pas. Il va rentrer dans votre tête, chercher la cause qui fait en sorte que vous ne dormez pas et il ramène la cause, vous les traitez ensemble. Donc pour le psychologue, il traite pour que ça finisse. Mais le psychiatre, il va traiter pour rester avec les médicaments. Quel appel lancez-vous pour permettre aux gens vraiment d'aller se consulter C'est d'abord à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des spécialistes. Vraiment, c'est aux spécialistes de sensibiliser la population. Tous ces problèmes, c'est parce que les gens méconnaissent en réalité. Maintenant, si aujourd'hui on sort en tant que spécialiste, sensibiliser la population sur justement l'importance de la santé mentale. C'est quoi la santé mentale C'est quoi la différence entre ces deux spécialités Les gens vont mieux comprendre et ils vont accepter. Le deuxième appel, c'est au niveau de la population. Non seulement les patients souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques ou de façon générale des troubles psychopathologiques sont marginalisés, sont stigmatisés, sont rejetés donc, il faut comprendre que la maladie égale maladie. Que ça soit maladie physique ou psychologique, c'est une maladie. Donc, il faut accepter, il faut comprendre, il faut accompagner. À l'endroit de l'État aussi, c'est de songer à une grande partie euh, qui concerne l'être humain qui est méconnu, qui est la santé mentale. Aujourd'hui, dans les structures sanitaires, il n'y a pas de psychologue. Quand on prend par exemple dans les régions, il n'y a pas des psychologues. Les psychologues sont focalisés seulement à Niamey, à l'hôpital national, à l'hôpital des références. C'est là où seulement il y a des psychologues. Des gens, juste pour les consultations psychologiques, quittent DIFA pour venir à Niamey. Or, les consultations psychologiques prennent du temps, à raison d'une séance ou deux séances par semaine. Et on peut avoir jusqu'à 8, 12 séances. Donc, vous voyez quelqu'un qui quitte là-bas pour venir ici, ce lourd à l'endroit aussi des FDS, compte tenu de ce que le pays se trouve avec les guerres, etc., ça impacte beaucoup les populations victimes, mais aussi les FDS face à des horaires, à beaucoup de choses traumatisantes auxquelles ils sont confrontés. Ils ont besoin d'être accompagnés. Et là-bas aussi, il faut recruter des psychologues. Donc, il faut recruter des psychologues dans les structures étatiques, en milieu des forces de l'ordre, mais aussi dans les écoles, il est très important. Il peut beaucoup contribuer à la refondation du, du pays. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Place à présent à la rubrique justice de ce lundi, les crimes contre l'humanité, les litiges entre États ou tout autre délit qui s'y apparente nécessitent un passage devant les juridictions internationales qui sont différentes des juridictions communautaires de par leur attribution et leur statut. Qu'est-ce qu'une justice internationale Combien sont-elles et comment fonctionnent-elles C'est à toutes ces questions que répond Omar Ougagere Bilal, substitut du procureur de la République, près le tribunal des grandes instances d'Agadez. Il est interrogé par Anissé Karim. Qu'est-ce que la justice internationale La justice internationale n'a d'autre sens qu'en fait euh, d'être euh, constituée de juridictions interétatiques basées sur euh, des traités et conventions qui ont vocation à trancher donc euh, des litiges de différentes natures euh, impliquant les États, euh, les organisations internationales ou même des personnes privées dans certaines mesures ayant des différents ou commis des infractions ayant un caractère particulièrement grave ou euh, présentant un caractère d'extranéité. Quelles sont les particularités de la justice internationale Elle est basée sur des textes extraterritoriaux, des textes vraiment internationaux. L'autre aspect comme particularité, c'est en fait leur composition, leur organisation, leur fonctionnement et surtout à ce stade-là, euh, leur attribution. Donc, euh, ce sont tous ces aspects qui font des juridictions, des juridictions assez particulières par rapport aux juridictions nationales. Quelles sont les principales juridictions internationales et leurs particularités donc, euh, euh, il y a lieu de préciser qu'elles ne sont pas les seules, mais comme on l'a dit, ce sont les principales. Nous avons d'abord la Cour internationale de justice, qui est l'organe judiciaire principal de l'ONU, euh, qui a vu le jour en juin 1945 à travers la Charte des Nations Unies et qui n'a commencé alors à exercer qu'en avril 1946. Comme particularité en termes de compétences, euh, c'est dire que la Cour internationale de justice est euh, compétente pour trancher les différents interétatiques, c'est-à-dire les différents entre les États euh, ou entre les organisations internationales et les États. Donc, pour effectivement dire le droit dans des tels différents. C'est autrement dit cette juridiction qui est compétente quand il y a euh, un litige entre deux États, euh, entre un État et une organisation internationale, pour euh, en tout cas trouver la solution judiciaire qui sied. Nous avons aussi la Cour pénale internationale, qui est aussi une juridiction internationale, mais à compétence pénale donc, euh, les principales informations qu'il faut avoir sur la Cour pénale internationale de façon succincte, c'est que eh, elle est fondée sur le traité de la Cour, euh, dit statut de Rome, qui est le traité créant la dite Cour. Euh, il date de 1998, même si la Cour elle-même n'a commencé effectivement à exercer qu'en 2002 et pour avoir atteint un certain nombre de ratifications du traité en question. Il y a aussi la répartition régionale des États partis au statut de Rome, donc euh, qui fait état de plus de 120 États toutes régions du monde confondues. L'autre particularité de la Cour pénale internationale, ce sont en fait euh, ces organes qui sont au nombre de quatre. Nous avons la présidence, les chambres, euh, le bureau du procureur et le greffe. Maintenant, pour ce qui est des crimes relevant de la compétence de la Cour, ce sont euh, vraiment les crimes les plus graves, notamment euh, le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les crimes d'agression. Donc par agression, on entend ici donc les agressions, si vous voulez, militaires d'une puissance euh, contre une autre, d'un État contre un autre. Quelle est la différence entre juridiction internationale et juridiction communautaire Réside d'abord dans leurs compétences matérielles, mais aussi dans leurs compétences territoriales. Donc euh, par compétence matérielle, c'est en fait l'objet pour lequel euh, ces juridictions peuvent être saisies, qui n'est pas en fait euh, le même au niveau de ces juridictions selon qu'on évoque celle internationale ou celle communautaire. Maintenant, la compétence territoriale, c'est de remarquer que les juridictions internationales ont une compétence plus large en termes de champ de compétences, en ce sens qu'elles couvrent tous les États partis, en tout cas à leur traité fondateur, tous les États qui ont ratifié donc les traités fondateurs de ces juridictions, qu'il s'agisse de la Cour internationale de justice ou de la Cour pénale internationale, sont euh, tout comme leurs ressortissants justiciables de ces juridictions. Alors que pour ce qui est des juridictions communautaires, elles ont une compétence territoriale limitée au cadre d'intégration, c'est-à-dire aux seuls États membres donc euh, de l'organisation régionale dont euh, il s'agit de la juridiction. Quand on prend par exemple la CDAO, donc ne sont justiciables euh, de la Cour de la CDAO que les États qui sont effectivement euh, membres de la CDAO et qui ont donc euh, ratifié donc le texte fondateur de la dite organisation. C'était la rubrique hebdomadaire justice de ce lundi de septembre 2024. Si vous nous rejoignez, chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu à travers les ondes de nos radios partenaires faisons un autre tour en musique avant de continuer, n'est-ce pas Rukaya Oui, bien sûr Fanta. Et cette fois-ci, nous allons faire écouter le titre Yam Yamu de Barakina en Allah. <laughs> Baraki na Allah Ai no legit Ai no sarkin Ai no sabo, Bebe a ai no Ai no ganjo Kondan gabi si baka kau Asu baka kau ne me gabi si baka kau Asu baka kau Nyezo me fala gabagara Agabagara Ai ne me fala gabagara Agabagara Mmm Yama yama Iga wowi te a su te isi na isi ma ya domo na go kenan ya na ba ni ga Yama no ni yama te no ya ma masalam hale ga dan ai ga masalam fot fonda ga ku fonda fo ga kini mo ku so so bai ra ne se ba ne madi bebe ano ne se ba ne madi uh. anka ka ir ko ba ne si bi madi jire ga ba ai no ne gadi. ra jabba kware bi ne bi tik tik ga kan prigiti Jire ga ku ai ga kai tak tak Ka de da lokaci to kak kak Iga di mai mayo sara Kuli ne ai ga wani body Kuli ne ai ga wani sobe Kuli ne ai ga Nga bi si baka bau Asu baka bau Ai ne me ga bi si baka bau Asu baka bau Nyezo me fala ga bagara Aga bagara Ai ne me fala ga bagara Aga bagara Mmm Yama yama Iga wow De son vrai nom, Mubarak connu sous le nom de Barakina, est un talentueux artiste nigérien, révélation musicale de l'année 2017. À travers sa parfaite maîtrise du rap, de l'afro-trap, trap hausa et afrobeat, il est l'un des artistes urbains les plus célèbres au Niger. ni ya niga te ai bon tarino ai fundo niga wow yamo yamo yamo fa hmm. har ya niga ki ai bon kai si bai tarion ai bon kai si bai mayo barga te dujel mate yama yama fa jam gabi se baka bau Asubaka kau. aine kau, subakakau asubakakau nyezo mefala gabagarau agabagarau aine mefala gabagarau agabagarau mm, yama yama Igo wowe ga te asite isina isuma. yezo yama yama aiga ki isama ka irkoi domo na gokena. yama yama no bani ga yama yama no nisite yama yama no C'était Yamo Yamo de Barakina en espérant que vous avez aimé. Le reportage région de ce mardi, nous allons faire un tour à Maradi pour parler de la culture du riz, car il existe dans cette ville des terrains favorables à la production du riz et depuis quelques années, l'ampleur sa s'accroître. Selon un constat de la Direction régionale de l'agriculture, cette culture est en train de s'étendre aux autres départements. Comment se porte la production du riz à Maradi Le reportage est signé Mohamed Maman. À Maradi, les propriétaires de jardins situés le long du Goulbi profitent pour faire de culture du riz. C'est le cas de El ce retraité de la fonction publique qui cultive du riz pour sa propre consommation. Ça fait trois ans que je fais la production du riz au niveau d'une partie de mon jardin. Bon, ça n'atteint même pas un hectare ce que je produis, vu les difficultés, parce que pour produire du riz, il faut de l'eau. Or, vraiment, c'est ça le gros problème auquel nous sommes confrontés. Si on a des moyens pour pouvoir produire je peux produire peut-être pour un hectare, mais malheureusement, je n'ai pas assez de moyens pour pouvoir euh, avoir assez d'eau. Alors, euh, quelle est la production Elle est satisfaisante euh, Bon, pas du tout, parce qu'elle ne m'assure même pas la consommation annuelle. Juste peut-être avoir 4 sacs ou 3 sacs. Un autre producteur fait cette culture du riz à un peu plus grande échelle. Mohamed Laouli consacre deux espaces de 4 hectares à cette production et témoigne que c'est intéressant la production du riz. to da na saman goron na ga yi shi ma sai na dan fara guda to amma abin da ya sa na bunƙasa ta kwarai lokacin da aka sami baliyar ruwa wannan ta shekara 2020 shekaran nan duk abin da muke sa da dawa ce da masara to shekaran nan muka ga ba abin da muka samu kuma ruwan sun daɗe wajen wata uku suka yi to shi yasa shekara mai zuwa sai ci to tunda canjin lokaci ya zo kina ya kamata in sami ne ya kamata in yi mm. sai na ga shinkawa ita ce ta cancanta tun da dama ita yar ruwa ce ita ruwa ne take so kenan tun daga wannan shekarun eh, tun daga 2020 na fara na kuma shinkawa gadan-gadan a nan da inda muke kusan eka ɗaya da rabi ne na shinkawa kuma can bayan gulbi ina da wajen kusan eka uku da na sa shinkawa abin da nake so gani duk cikin noma ba abin da ya kai noman shinkawa daga noman shinkawa sai na masara sai na alkama su ne cikin ɗan ƙaramin hili wanda za ka noma ka samu albarka eh yanzu kaga ga ka ɗauki kamar eh, shinkafa wannan in ta yi kyau a cikin eka cikin ka samu kana samu kusan buhu ɗari dan da kwai 2021 da na fara eh duka sur 8000 meter kare ne na ita abin da tashi da ita wajen kusan buhu 55 to buhu 55 ko kaga ai alhamdulillah Dans le Gobir également, La culture du riz remonte dans un passé très lointain, selon le sultan, l'honorable Abdoubala Marafa. Si aujourd'hui ce n'est pas le cas, il disait que dans un passé récent, la production du riz au Gobir était même plus importante que celle de Tilaberi. dala biyu muna ana ana ɗin wani kaushi kenan Allah ya ruwa kaushi kenan shinkafa abu ne lokacin gulbi ya zo ya wanka hodama kaushi kenan sai ta tashi to hodama laka ce ho tana conserve da ruwa sosai da sosai to haka nan ake haka nan ake shinkahon nan ta yi zamani ba ɗan kaɗan na ba ka gani amma sannu sannu sai abin da ya sha baya ya ja baya saboda mi saboda tun lokacin da aka yi mana wani amina jama'a aka dace gulbin to ruwan sai su biyo wannan sabon rami da aka yi mashi sai aka baro tsohon gulbi din wanda ke wadatar da duka fadama din nan ga gani La direction régionale de l'agriculture régale d'un bon œil les initiatives pour la production du riz à Maradi. Pour le directeur régional Mohamed Kabirou, l'engouement devient d'année en année important. Abene ne mai yiwa sosai sabida ga yanzu abin da muke gani kamar in ka ɗauka cikin kwamin ɗin rumfa cibiri Gidan rimshi Gidan Sori, wajejen Gazawa da nan kuma Kwancin Gulbi mutane na shinkafa sosai ma suna shinkafa. don a bisa wannan damuna ta bana abu ne ma wanda muke bi musamman in Allah da karshen damuna za mu ba da raskwana mu za mu hiddo raskwana za a gami aka samu mi mutane suka yi. Amma lalle mun yi lura nan da kamar shekara uku da ta wuce mutane sun mai da hankali sosai ga noman shinkafa. to abinda kuma nake so in kara ma gaba ɗaya ma a mataki na ƙasa a bara kaɗai shekara ta 2022 abinda ƙididdiga ta bada nan nijar abinda aka noma tsakanin masu yin ta cikin gandari da masu yin ta cikin gona sai da aka noma shinkafa da aka yi kiyasin ta ta kai tan 150 to kaga lalle abu ne mai yiwuwa saboda haka wannan eh, sai mu ce ba wani abu ne wanda zai ba mu wahala. Inda Allah ya sa akwai wurin kuma ana iya yin ta kamar yadda ake yin ta a gandari kuma ana iya yin ta cikin gonakai. Kuma akwai masananta sosai suna nan wanda suka san menene shinkafa daga nan gidan gona da mataki na iniran da mataki na yamai De plus en plus, les producteurs de maradi s'intéressent à la culture du riz, qui est d'ailleurs un aliment de base. Cependant, la non-maîtrise de l'eau peut estomper certains ardeurs chez ces producteurs. Il incombe désormais à l'État de les accompagner pour produire du riz en grande quantité au Niger. Pensée spéciale aux populations de Maradi éprouvées par des inondations causées par les fortes précipitations enregistrées le vendredi 30 août 2024. Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Et tout de suite, la page sport avec Salamatou Kadri. Bonjour Salamatou. Bonjour les filles. Bonjour. Alors, euh, la compétition nationale de volleyball a pris fin ce samedi à Niamey. Cette région y ont pris pas à l'exception de Tilaberi. Et oui, Fanta, à l'issue de la compétition, va sur le podium. Les dames, d'abord, on commence avec les dames. Chez les dames, la finale a opposé Ziggy à la Podis avec une victoire de Ziggy par 3-7 à 0. Le classement est le suivant AS Ziggy de Dosso occupe la première place, suivi de AS Police et ASUAM occupe la troisième place. Chez les hommes, l'AS Fan occupe la première place du podium, suivi de l'AS Renaissance et l'AS Police termine troisième. Écoutons la synthèse de la compétition avec le président de la Fédération nigérienne de volleyball, Issoufouzo Di Badar. C'est une compétition annuelle d'élite de la Fédération nigérienne de volleyball. C'est pour ça qu'on l'appelle Ligue nationale parce que ça fait quand même ressortir les équipes euh, à travers différents filtres pour qu'ils participent à cette compétition. Aujourd'hui, on a suivi une très belle finale, ce qui démontre le niveau assez élevé du du volleyball dans notre pays. Donc nous sommes très satisfaits par d'abord la participation massive de toutes les régions, à part Tilaberi, qui n'a pas pu assister donc, euh, euh, sur le plan organisationnel. Chapeau à toute l'équipe de la fédération et la Ligue régionale de Niamey pour l'organisation. Effectivement, d'où même la création de cette Ligue nationale, ça permet aux élites de se rencontrer. Contrairement aux autres euh, pays de la sous-région, les championnats se jouent à des périodes assez allongées, mais nous n'avons pas les moyens de tenir les championnats sur 4-5 mois en aller-retour. Donc nous sommes obligés, nous avons trouvé cette solution en créant la Ligue nationale pour permettre à l'élite de participer et ce qui relève un peu le niveau de, la la On fait nos efforts, je pense que le problème euh, de la participation du genre, c'est un problème qui est présent dans toutes les fédérations, surtout dans la catégorie senior, parce que nous ne rencontrons pas les difficultés avec les, centres ou les, petites catégories, notamment les juniors et les cadettes. Mais euh, au niveau senior, c'est un déficit assez présent que nous constatons, mais qui est dû aussi aux facteurs religieux et sociaux de notre pays. Poursuivons ce rendez-vous sportif à Salamotou. Le tournoi des grandes vacances TGV de Medansoroa a pris fin ce samedi. Et eh oui, la grande finale a opposé l'équipe des vacanciers à celle de Haske. Elle s'est jouée sur le terrain de football au quartier Haske. L'équipe des vacanciers a remporté la victoire grâce au tir au but 5 à 4. Le capitaine de l'équipe gagnante, Mokhtar, et l'entraîneur de l'équipe perdante, Ali Mahamadou, se sont exprimés au micro de Maman Idrissa. Ah, on est fier, on est vraiment fier. On est content de la victoire. Ça a été un long parcours. au final, on a gagné. C'est Mani qui gagne. C'est Mani qui gagne. Et voilà, c'est tout pour le, c'est tout pour le sport d'aujourd'hui. Merci. Merci Salamatou et bonne journée à toi. Chers auditeurs, le portrait d'aujourd'hui est aussi celui d'un jeune sportif. Un jeune lutteur, pour être plus précis, Rukaya. Il s'agit de Camille en de Difa. Le portrait est réalisé par Salamatou Kadri. Nous sommes à l'arène de lutte traditionnelle Salmadarani de Dosso, là où nous avons rencontré Kamil Lawan, un jeune lutteur de la région de Difa avec un corps robuste. Âgé de 25 ans, il est plein de fougue. Il raconte ses premiers pas dans les compétitions. J'ai commencé la lutte en 2022. J'ai participé à la lutte de la CDAO à Niamey. L'année suivante, j'ai participé au championnat national à Difa, ensuite à Agadez. Je vais avec l'aide de Dieu remporter le sabre à l'avenir. Quelle que soit l'activité que vous exercez, vous rencontrez des difficultés. Nous arrivons à gagner car nous considérons la lutte comme une profession. Dieu merci, quand nous gagnons, nos familles profitent aussi. Arzika Issa, l'entraîneur du jeune lutteur, suit de près l'évolution de son athlète. Kamilou est un jeune lutteur qui évolue. Il y a deux ans, il ne faisait que le combat de la CDAO. Nous avons constaté qu'il fait des efforts. Nous l'avons mis parmi les dix lutteurs. Là aussi, il avance beaucoup. Pour la lutte de la CDAO, il est de la catégorie de 66 kilos. Deux ans après, il a atteint les 80 à 85 kilos. Suite à cela, nous l'avons enlevé de la lutte de la CDAO pour l'intégrer dans l'équipe des 10 lutteurs. Comme vous le savez, au Niger, si vous avez 85 kg, vous pouvez lutter à avec un lutteur qui a 120 kg. Pour ses amis, Kamui Lulawang est un lutteur humble. Selon eux, il fera parler de lui dans les prochaines années. Kamilou est un garçon intelligent et talentueux. Il lutte avec courage et détermination. Pour lui, l'amitié c'est à la maison, mais de l'arène, c'est la lutte ou rien. Kamilou est un vrai lutteur. Il a fait en sorte que, jusqu'à présent, il n'a pas eu la chance. Mais nous espérons que d'ici peu, il y aura surprise. Le jeune lutteur Kamilou Lawan est un espoir pour la région de Difa. Après ce portrait, chers auditeurs, clôturons notre playlist du jour. Nous avons choisi pour vous Amana et Al-Radik. Ah. Music, l'artiste al fidèles auditeurs, dans le loti d'aujourd'hui, les femmes du studio Kalangu évoquent l'importance d'avoir un commerce ou une activité en dehors du salaire mensuel pour se mettre à l'abri du besoin. Et c'est dans une discussion entre Samira Rouafi et Hawa Ousmane. Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji! barka da sahiya ya kike lahiya lau wallahi ina godiya ma Allah ke fa ya ne wajen ki a alhamdulillah yaya aiki in ji dai an yi sallah lahiya lahiya lau wallahi ina fatan kuma haka ne ta bangaren ku a alhamdulillah mun yi sallah lahiya kallon sai fatan Allah maimaita muna amin sai dai ha hmm, ni wannan sallar duka kaf kudin da kika san ina da na ajiya da albashi gaba ɗaya sun tai duk ajiya ki da wani albashi haka dai yadda kika kashe komi ne bani da ga baki ɗaya na kashe hatta yin kuɗaɗen da nake sa cikin asusu duka na ɓalgwace na kashe gaba ɗaya. tsaya fadima ban gane ba kwatamta mini ha baki kuma ina baki kina roƙo yadda kika ji haka ne kenan in gane ke albashin ki kaɗai ne madogara ke bancin wannan baki da wata hanya da ke iya ka miki kuɗi babu wata hanya da ke shigar miki da kuɗi haka take kamar da kika faɗa shi kaɗai ne abin da nake dogaro da shi wannan albashin da shi ne nake yin komai da komai ah yanzu ne na gane abin da yasa kayan wata ya mutu ke riga shi mutuwa mana hmm, ke dai bare wannan albashin da shi nake komai shi kaɗai ne kuɗaɗen da ke shigo mini ke ne yanzu ke banda ma albashin da ke ɗauka kina da wasu hanyoyin samun kuɗi eh mana kin manta da ina da wani ɗan ƙaramin kasuwanci na da nake yi baki san da ba lokacin da ake tsaya a jere kawai albashi ya huce wannan a da ne ba yanzu ba haba kiki ke zancen kasuwanci ko kuma in ce sana'a wannan ai sai ku yoni dan albashin da nake samu alhamdulillah ina ma ya ishe ne in kashe wutar gabana har in yi wani tunanin cewa zan yi wani kasuwanci a ciki haba ke kowa ya ce miki da wasu kuɗaɗe masu yawa ne ake hwaga wani dan dan abun nan shikenan ina sauraron ki kwatanta mini bani in sha yanzu cikin wannan lokaci da muke kawai kuɗi ɗan kaɗan ne ya kamata ki samu hakan ga sai ki sa ki cin wata ƙaramar sana'a aha haka ne na lura shi yasa ko da yaushe sai in ga wannan matan na wajen aikinmu su wannan ta sai da wannan wannan ta sai da wancan in wata ya mutu wani bi albashin nan nasu ko tunawa ma da shi ba su don na yan ce suke biyan bukatunsu shi albashin ko tunawa da shi ba su ha ah, kenan haka ne eh mana yanzu mata suna nan ga sa kansu cikin kasuwanci kuma da fusawo'i da dabaru masu kyau gaskiya na gode sosai kawali in allah yarda wannan shawarar taki zan yi aiki da ita ke tun yanzu ma za a suma bari ki ganin doko takarda da biro in soma lissafi da ma zan fara gishiri <laughs> miya kuka inda kulkula aikun siya ko mun saye kake damu haba ke ko ba komai kuma ke gan wannan zai sa kayan wata ya mutu kina samun wani abu Mm, gaskiya wallahi na gode kwarai wannan shawarar taki ta yi bai komi kin ga zuwa na ina da aiki to shikenan ni kuma insha Allah kin ga daga wannan lokacin zan yi kokari ko ma menene zan kukullawa in dai abin da nake so da ku dai idan kun ga na kulla a saya na kara min kwarin gwiwa insha Allah eh, ba matsala a dai kawo shi a kada ko in kullo dan gishi na da wani dan tashi na ku so da na kawo <laughs> ai mai mu <laughs> Allah ya taimaka muna amin insha Allah C'était le loti du desk femme du studio Kalangu. Nous allons continuer avec la rubrique culture linguistique. Le mot du jour est charité et c'est avec Samira Oumarou. Chers auditrices et auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre rubrique culture linguistique. Hello ladies and gentlemen, good morning and welcome to your show culture linguistique. Le 5 septembre est célébré la Journée internationale de la charité. September 5 is celebrated as International Day of Charities. Nous verrons ensemble les contours du mot charité. La charité est le bienfait envers les pauvres. Charité en anglais veut dire charity. Charity is the voluntary giving of help. Let's take an example. The care of the poor must not be left to private charity. That means, le soin des pauvres ne doit pas être laissé à la charité privée. I don't want your charity, qui signifie que je ne veux pas de ta charité. La journée internationale de la charité a été instaurée dans le but de sensibiliser et mobiliser des individus, des ONG et l'ensemble des acteurs impliqués dans le monde pour aider les autres à travers les activités bénévoles et philanthropiques. The International Day of Charity was established with the aim to raise awareness and mobilizing individual NGOs and all schedules involved in the world to help others through voluntary and philanthropic activities. La charité permet un lien social réel et contribue aussi à la création de sociétés plus inclusives. Charity allows a real social bond and also contribute to the creation of more inclusive societies. Ladies and gentlemen, that's all for today. Chers auditrices et auditeurs, nous voilà à la fin de notre rubrique. On se dit au revoir et à très bientôt. Pour nos chers auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde. Votre participation est la bienvenue. Et justement, Fanta, il est temps pour nous d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. il ah, Simana, Iso président na studio kalangu shirye-shiryen da yake yi da abubuwan da yake yi suna ƙayatar da ni don haka babu wata rana wadda za ta eh, kasancewa ban saurari studio kalangu ba babban abin da ya birge ni cikin studio kalangu shine labaru waɗanda aka yi na kowane yare na nijar ana yin labaru da abin gada harshen shi da kuma waye kai da aka yi ga matasa bisa ga abin da ya shahi abubuwa da dama na cigaban ƙasa wannan abin shi ya birge ne a cikin studio kalangu ina gaida asuman idi ango jeje dan baba ina gaida hassan sule gidan iddar ina gaida alhaji kadar garkuwa gidan iddar alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah ni ne bashir malam isaka bilaji artisana da kwaro tayar ne ni kwarai ina sauraron studio kalangu studio kalangu radiyo ne mai waye ma matasa kai yana galgadin matasa alhamdulillahi radiyo ne mai muhimmanci gare muna sauraron shi daga sha zuwa sha biyu akwai labari na hausa da suke sawa karfe biyar da minti arba'in da biyar wannan labaru muna sauraron labarun hausa a daidai wani lokacin saboda labarunsu na hausa ni dai ba haushe ne labarin na hausa kuma yana ƙara birgeni da muhimmanci kwarai-kwarai yana birgen mun gode studio kalangu ta min tamboyi ya kai so uku wanga karo na uku kenan ana min tamboyi kuma ana sawa ina jin daɗi kuma wanda suke ji suke jin muryata suna jin daɗin abubuwan da nake gai allah ya sa wannan sako da mun kai ya kai shi ga duka al'umman duniya gaba ɗaya studio kalangu radio ne wanda in ka ji abu cikin shi an haɗi to in kai gaba ma ka karda ba ƙarya ka faɗi ba ma'aikatan gidan radio kalangu suna bakin iya ƙoƙarinsu alhamdulillahi ina gaida abokina mamman tsofo a bilash village artisana da ƙoro akwai kanina sirajin malam isaka da ke da magaram ina gaida shi ina gaida 'yan uwana da suke mai kamar isu ina gaida su allah ya saka da alheri Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Linger sur Kalangu. Nous avons adoré passer ces moments en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Ruketo Abdraman et moi-même Fanta Chamsou. À la technique, c'était Mustafa Yuba et Moussa Hassan à l'édition. Bye bye.